Bonjour, euh, Monsieur Mboup. Euh, vous pouvez vous présenter Bonjour. Euh, Lamine Mboup, ancien international à de football, ancien professionnel, président de l'ASC Dakar Football Club, président des anciens footballeurs de la Gendarme, membre de la Chambre de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football. Et des fois, je suis consultant sur les chaînes télévisées sénégalaises. Euh, on a vu que vous avez une école de foot. Euh, euh, depuis quand vous l'avez créée C'est un club de foot. C'est un club qui a toutes les catégories. Hein. J'ai commencé en 2004. C'est en 2004 que j'ai créé ce club, l'ASC Dakar Football Club. Et j'ai eu la chance même de former des joueurs. Il y en a un qui était devenu professionnel. C'est Papa Boubacar Diawara qui est passé par la Gendarme, parce que je les ai prêtés à la Gendarme, lui, la Mendiaye, Mohamed Lamine Gueye, gardien de but. Et aujourd'hui, c'est le seul qui avait réussi à aller à Maritimo Funchal. Après, il est allé au euh, FC Séville et euh, a même marqué euh, par chance contre un certain Real de Madrid. Il a été prêté à Granada et Levante. Mais malheureusement, ce qui est vraiment indéniable et qui est malhonnête chez les jeunes footballeurs, c'est qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Ce qui veut dire que depuis ça, je ne l'ai plus revu depuis qu'il est parti. Donc euh, aussi, nous, au Sénégal, en Afrique, on est toujours lésés par rapport à notre, euh, notre argent quand on un jour est transféré, parce que jusqu'à aujourd'hui, ni la d'Arc, ni Dakar Football Club ont reçu aucune indemnité, et ça, c'est c'est pas bien, c'est pas bien. Je pense que les dirigeants du football africain devraient pouvoir se lever et ne pas penser juste à leur propre euh, intérêt et penser à l'intérêt commun, hein, à l'intérêt commun. Il y a des gens qui travaillent et qui doivent gagner leur vie par rapport à ce qu'ils font. Mais est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation euh, au niveau de, comment des centres de formation euh, de football Non, c'est un problème de reconnaissance. C'est un problème de reconnaissance. Vous savez, euh, Dieu nous a créés, nous a amenés sur terre. On ne peut rien donner au Seigneur, sinon la reconnaissance accepter que c'est lui qui nous a créés et accepter, c'est grâce à lui qu'on est encore en vie. Alors cette reconnaissance, c'est tout ce qu'il nous demande. On ne peut pas lui donner à manger, on ne peut pas lui donner de l'argent, on ne peut rien lui donner. Mais c'est la reconnaissance. Alors, quand quelqu'un est reconnaissant, quand quelqu'un a la chance d'être reconnaissant, surtout, il a la chance d'être parmi les hommes de Dieu. Surtout reconnaître ses parents, reconnaître euh, qu'on on a été créé par Dieu, reconnaître qu'on a été euh, l'étudiant de quelqu'un, reconnaître qu'on a été formé par quelqu'un et lui rendre ses reconnaissances. Ça, je peux vous dire, quand on est bien éduqué, bien éduqué à la maison, hein, dans le quartier, dans la ville, on est reconnaissant. Donc, à part le problème de reconnaissance, quels sont les problèmes euh, que rencontrent les écoles de foot en général Écoutez, le problème que rencontrent les écoles de foot, c'est c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup euh, d'intérêt euh, par rapport à certains clubs qui sont là, qui devraient normalement euh, avoir des écoles de football. Mais aujourd'hui, l'intérêt aujourd'hui chez, les, comment je dire, les clubs, c'est surtout, c'est surtout se faire de l'argent. Hein, il n'y a que les catégories seniors qui sont reconnues. C'est comme l'équipe nationale A. c'est la seule qui est reconnue. Les autres équipes nationales ne sont pas reconnues. Et je pense que c'est là où le bas blesse. Euh, si je comprends bien, vous n'avez pas de partenaire, par exemple, euh, euh, de club où vos joueurs, par exemple, pourront aller, par exemple, lorsqu'ils... Bon, quand vous aurez choisi les meilleurs joueurs, est-ce que vous avez des partenaires avec qui travailler pour placer vos joueurs Écoutez, moi, je ne, cherche pas à gagner de l'argent. C'est ma passion de former ces jeunes. Vous savez, quand j'ai créé ce club, c'était pour faire mon, football, le football que je pense. Et je pense que la première année, je l'ai très très très bien réussi parce que je suis allé jusqu'en demi-finale euh, du championnat du Sénégal, alors que c'était la première année que je venais de monter. C'est ce qui a fait que tous mes jours sont allés, la majeure partie de juniors. Baba Diawara, quand il est allé à la gendarme, il était cadet il a joué en première division, il a été buteur en première division. La Mindiaï, c'était pareil. Des joueurs que j'avais formés qui étaient talentueux. Vous comprenez Après, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau euh, avec certaines personnes. Donc j'ai dû arrêter, j'ai pris du recul. Mais après, j'ai repris. Quand j'ai repris, j'ai eu à faire des tournois à l'extérieur. J'ai amené les petits en France à istra sur Là, je travaille, je travaille avec la petite catégorie pour donner de mon savoir. Maintenant, quand le jour, euh, il, est, il est assez âgé pour aller dans un grand club, je le laisse partir. Il gagne sa vie. Vous comprenez Mais ce n'est pas pour essayer de gagner quelque chose que je le fais. C'est pour les aider à devenir de grands hommes. D'ailleurs, si vous, si vous voyez, je suis en train de, de préparer l'ouverture d'un centre de formation des métiers et de la pratique du sport ici au Maris. Je suis en partenariat avec euh, un groupe ISMEC ISST qui est un centre de formation des métiers. Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est aider les jeunes footballeurs à avoir un métier. Parce que vous savez, euh, le football n'est pas donné à tout le monde, la réussite au football. Et jouer au football au Sénégal, c'est devenir un chômeur plus tard. Donc aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est d'aider les gosses, quand on est dans un centre de formation, de l'aider à avoir un diplôme, un métier, parce qu'à 25 ans, si le gosse arrive à avoir son métier, il peut faire de l'amateurisme. Il peut même jouer en professionnel au Sénégal. Parce que quand on te paye 50 000 ou 25 000, qu'est-ce que tu peux faire après ta carrière de football Quand on te paye 100 000 francs, qu'est-ce que tu peux faire après ta carrière de football Quand on te paye 200 000, qu'est-ce que tu peux faire après ta carrière de football Si tu, es, tu, as une famille, si tu as des enfants, à quel âge ces jeunes joueurs vont se marier À 40 ans, quand ils auront fini leur carrière Alors que, étant footballeur professionnel, ils doivent être mariés pour se gérer. Ils doivent avoir maison. Alors comment est-ce qu'ils vont être performants ces gosses-là Si à l'entraînement, ils arrivent et, ils arrivent pendant deux heures de temps, ils travaillent. À la fin de l'entraînement, ils reçoivent 500 francs CFA pour aller le transport. Ils vont à l'arrêt de bus, ils attendent pendant une heure de temps. Avant d'arriver à la maison, ils seront épuisés. Comment le dimanche, ils peuvent donner le meilleur demain C'est pourquoi, moi je dis, aujourd'hui, euh, un joueur qui joue au Sénégal, un joueur qui joue au Sénégal, il a intérêt, il a intérêt à se faire à se faire un métier, à trouver un métier pour qu'à l'avenir, ils puissent être quelqu'un. Regardez tous ces anciens professionnels du championnat sénégal. Il faut les voir. C'est des grands chômeurs, de terribles chômeurs qui n'ont rien. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce sens-là Non, c'est pas bon. Moi, je suis en train de créer un centre de formation et j'appelle les parents à bien écouter ce que je dis. Moi, ce sera un contrat qui sera signé entre le parent et l'élève et l'école. Ce qui veut dire, si à 17 ans, on constate que ce gosse-là, il n'a pas les qualités pour jouer en Europe, je ne dis pas pour jouer au Sénégal, pour jouer en Europe, on va l'imposer à avoir un métier, à avoir un diplôme. Et si à 25 ans, il a son diplôme de kinésithérapie, si à, à, à 25 ans, il a son, son, comment je veux dire, son diplôme d'agent de, marketing, ce gosse-là, il peut jouer tranquillement au football, gagner 100 000 francs, par exemple, en première division, pour en faire quoi Une dépense mais il aura de quoi payer sa maison, de quoi tenir ses enfants. C'est ça que je voudrais faire. Et j'espère que Dieu m'aidera pour que j'y arrive. J'ai un groupe STT qui sont des amis, qui sont en train de m'accompagner et je pense que ça va se faire, Inch'Allah. D'accord, bon, euh, je voulais parler <laughs> du financement, mais bon, là, en fait, j'ai compris que vous avez quelques personnes, quelques bonnes volontés qui vous accompagnent. Et bon, euh, donc si je comprends, d'accord, si je comprends, Hmm. Si je comprends bien, vous allez faire euh, du sport, études par exemple, et formation, juste pour euh, participer à, la problématique de l'employabilité du Sénégal. Donc parlez-nous un peu de, ce futur projet alors. Écoutez, ce futur projet, comme je viens de vous le dire, c'est pouvoir canaliser Hein, les joueurs qui peuvent réussir en Europe, les joueurs qui peuvent réussir ici au Sénégal, en ayant un métier. Parce que comme je l'ai dit, jouer en Afrique, jouer au Sénégal, ne fait pas le soleil pour un footballeur, ni pour un sportif. alors, comment vous voyez en fait euh, euh, le monde du football au Sénégal ici, le championnat, tous ces problèmes donc, euh, si je comprends bien, vous, vous ne voyez pas ces jeunes-là jouer ici au Sénégal Écoutez, vous, avez compris, j'ai dit, ces jeunes qui vont jouer au Sénégal, qui n'ont que le talent pour jouer au Sénégal, les aider à avoir un métier pour qu'après le football, ils puissent se gérer. Parce qu'aujourd'hui, tous ces joueurs qui sont là, qui jouent au football, demandez-leur, le, championnat professionnel a été créé quand En 2006. En 2006. Allez voir tous ces anciens professionnels, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Tous des chômeurs. Tous. Et on va continuer comme ça à faire de nos enfants des chômeurs. Le football qui devait être euh, une raison sociale pour aider les gosses à avoir quelque chose dans leur vie. Aujourd'hui, c'est ce football qui fait des chômeurs plus qu'à l'école. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et vous savez pertinemment qu'un Sadio Mane, il n'y en a pas deux au Sénégal. Vous savez qu'un Cheikh Kouyaté n'en a pas deux au Sénégal. Euh, il y, en aura peut-être un, deux ou trois qui vont quitter dans deux ans mais après, dans 5 ans, il n'y en aura pas qui vont sortir. Alors tous ces joueurs-là, qui vont faire 5 ans de carrière, 6 ans de carrière, qui vont être après jetés à un niveau plus bas, qu'est-ce qu'ils vont devenir Alors parents, à dirigeants, aidez ces jeunes, poussez-les à avoir un métier, hein, au moins. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir en France, il faut savoir quel est le niveau où on peut jouer. Le niveau où on peut jouer. Hein. En, France, il y a des gens qui savent qu'ils n'ont pas le niveau professionnel. Ils vont faire un métier et ils vont jouer au football en national, en, division régionale. Vous comprenez Parce qu'ils savent que le talent n'arrive pas au professionnalisme. Mais ici, tout un chacun pense qu'il peut jouer au professionnalisme. Tout un chacun pense qu'il peut aller en Europe. Hein. Il, suffit de le, il suffit que tu joues au football dehors et qu'il y a quelqu'un qui dit Oh, tu es un bon footballeur, tu penses que tu peux aller en France Non, non, non, non, non c'est pas ça. Il y a des qualités. Si on demande un Messi dans une équipe, un, Neymar dans une équipe, c'est parce qu'ils font l'unanimité. Vous comprenez Tous les autres sont des complémentarités. Aujourd'hui, Sadio Mane seul en équipe nationale. Est-ce que l'équipe nationale joue bien Sadio Mane à Liverpool, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui fait beaucoup de choses parce qu'il a à côté de lui beaucoup de personnes qui peuvent jouer avec lui. Regardez. Mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Est-ce que ce que Salah fait, il y a un jour Sénégalais qui sait le faire Est-ce que ce que Waynodoum fait, il y a un jour Sénégalais qui sait le faire Est-ce que ce que Firmino fait, il y a un jour Sénégalais qui sait le faire dans l'équipe nationale Il faut, il faut qu'on se donne une raison. Sadio Mané, il a des joueurs de qualité des joueurs qui ont été recrutés à qui on donne des centaines de millions, qui ne se consacrent qu'au football. Vous comprenez Et qui savent qu'aujourd'hui, s'ils ratent ça, ils sont finis pour le football. Ce pas quand l'équipe nationale ou quand tu fais zéro centre dans une équipe nationale alors que tu es un ailier, on te fait jouer encore. C'est pas comme un attaquant qui, qui, ne marque pas un but pendant toute une Coupe d'Afrique et on te fait refaire jouer. Non, en France, si tu ne donnes pas, en Europe, si tu ne donnes pas ce qu'on te demande, c'est-à-dire marquer des buts, tu ne joues plus. Si tu ne fais pas de dernière passe comme ce qu'on te demande, tu ne joues plus. On cherche quelqu'un qui peut le faire. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse ici au Sénégal. Je suis désolé. D'accord. Euh, bon, on va rester sur le cas de on a vu que ces derniers temps, euh, il a... Bon, on a vu un autre Sadio Mane, il s'est fâché euh, lors de, ce dernier match. Comment vous expliquez un peu son comportement par rapport à ça là Mais toujours, peut-être que ça s'est vu parce que nous sommes au Sénégal, mais toujours, aurait fait la même chose. Moi, je l'ai décrié plusieurs fois. Euh, il y en a qui vont peut-être m'écouter dans le site, à la excusez-moi, dans une des chaînes télévisées. Je les ai toujours dit, ce mec-là, là, il est individuel, il ne donne pas de passe à Sadio Mané. Et il le fait exprès, parce qu'il ne veut pas que Sadio Mané marque. Et aujourd'hui, ça s'est vu. Et pourtant, Sadio Mané lui donnait des ballons pour marquer des buts. Aujourd'hui, il y a combien de... J'ai vu une chaîne anglaise qui ont, qui ont remontré tous les moments où il pouvait donner à Sadio Mané et qu'il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire que même les Anglais ont compris cela. Alors Sadio a bien raison de le signaler et qu'il revienne. Soit il reste, soit il fait des pas, soit il s'en va, soit lui il s'en va. C'est tellement simple. Voilà, il a raison, il a parfaitement raison. Parce que lui, moi je ne peux pas te donner des cadeaux et que toi tu me donnes euh, du tort. C'est ça le problème. Voilà, Sadio a raison. Moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Si j'étais dans le terrain, je l'aurais dit à lui aussi. En tant qu'entraîneur, à la place de son entraîneur, comment allez-vous régler ce problème Écoutez, je les appellerai tous deux. D'accord je ferai comprendre à Salah que le football est collectif. D'accord hein et, dire à Sadio, il faut savoir pardonner, il faut savoir rectifier. Salah a compris. Maintenant, il faudrait que vous essayiez d'être ensemble. Vous avez été pendant euh, des années ensemble euh, bien qu'il y a eu des choses qui sont passées, tu, ne jamais révolté. Aujourd'hui, ça, le vase a débordé, tu l'as fait, mais reconsidérez tout ça, redevenez des amis et faites comme vous avez fait. Mais ça là, je lui ferai comprendre qu'il faudrait qu'il soit beaucoup plus collectif avec Sadio Mane. D'accord. Euh, en tant que. Bon, si vous étiez à la place de Sadio Mane, par exemple, sans pour autant que l'entraîneur vous appelle, mhm. comment allez-vous régler ce problème Écoutez, euh, j'ai dit ce que j'avais à dire. en tant que Sadio Mané. Oui, j'ai dit. En tant que j'ai fait comprendre mon mal. Je l'ai je, dévoilé. Je l'ai dit à Salah. Ça ne m'empêchera pas de faire mon boulot ni mon métier. Je vais continuer à travailler et laisser les gens juger. Si lui, il ne, le, fait pas, les gens se comprendront. Et quand les gens vont comprendre, peut-être que c'est lui qui va partir. Mais ça, ne va pas changer ce que je suis en train de faire. Et je ne vais pas me fâcher contre Liverpool ni contre personne. Je vais, je vais être le même Sadio Mane que j'étais dans le terrain de football. Mais maintenant, tout le monde sera que Sadio et Salah, si Salah ne fait pas des passes, c'est parce que Salah n'a pas voulu. Voilà, c'est très simple. on va toujours rester sur le cas de Sadio Mané. On a vu que, bon, une petite question. Sadio Mané, le ballon d'or. Je pense que c'est de la malhonnêteté. Parce qu'aujourd'hui, euh, n'a rien fait dans ce football, ni en Ligue des Champions. On a vu Ramos et il n'a jamais été ballon d'or. Vous comprenez Aujourd'hui, c'est pour ne pas donner le ballon d'or à Sadio Mane qu'on veut le donner à ce mec. Parce que Messi s'est déclaré forfait et on sait que Ronaldo n'a rien fait. Parce que quand Messi dit Sadio Mane mérite mieux que moi, <laughs> on ne va pas le mettre lui. D'accord Alors que Ronaldo n'a rien fait. Il n'est allé nulle part. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent prendre un joueur de Liverpool, euh, Van Dijk, pour le mettre, pour, pour, combler ça. Moi, je dis que c'est n'importe quoi. C'est Sadio Mane, qu'ils le veulent ou non, c'est Sadio Mane qui a le ballon d'or cette année. Et, je, le dis, ils l'ont fait à Iniesta. Donc si on le fait à Sadio Mane, ça ne le coûtera rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait être honnête. Il faut être honnête. Le ballon d'or euh, européen, c'est Sadio Mane. Le ballon d'or africain, c'est Sadio Mane. D'accord Moi, je ne sais pas. Sadio Mane ne m'a rien donné, je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Ah, mais il faut être logique, il faut être honnête. Quand Salah a été ballon d'or africain, on lui a donné personne à riposter. Aujourd'hui, c'est Sadio Mane ce n'est pas parce qu'il est sénégalais qu'on ne doit pas lui donner ce ballon d'or. Et je demande aux Sénégalais de, de, s'en remettre à ça et surtout de critiquer. Parce qu'il faut critiquer. C'est du n'importe quoi ce que l'UFA a fait. Parce que bon, vous, on voulait venir sur cette question. On a vu que euh, certaines personnalités du Sénégal, euh, la fédération, on ne les a pas entendues en fait euh, parler, soutenir Comment vous voyez cette question Parce qu'un eh, exemple, si c'était euh, Griezmann ou Cristiano ou autre, la, leur presse de leur pays allait vraiment parler de ce sujet. Mais là, on, voit presque que tout le monde évite la question. On n'en parle même pas. La fédération, on l'entend pas. Le ministre de la, des Sports, on l'entend pas. C'est quoi le problème en fait Quelle est la, la, position du Sénégal, des autorités sénégalaises dans le milieu du sport, dans tout ça Écoutez, moi je pense qu'ils ont leur raison de ne pas euh, parler. Je ne sais pas quelle est leur raison. Mais moi quand je vois des journalistes dire euh, plébisciter Salah devant Sadio Mané, je peux comprendre que si on ne lui donne pas le ballon d'or, ils ne vont rien dire. Vous comprenez Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand Salah a dit que Sadio Mané méritait bien euh, la Coupe d'Afrique, il y a des Arabes qui ont insulté Salah. Ce qui veut dire qu'ils sont unis tous. Ils ne voteraient jamais pour Sadio Mané. Alors nous, si nous, on vote pour quelqu'un d'autre, en laissant notre, notre enfant, notre compatriote, moi je pense que <laughs> s'ils disent rien, hein, ça ne m'étonnerait pas. D'accord. Donc là, en fait, je, vais rebondir sur, cette, euh, sur votre réflexion pour euh, le cas de Mbaye par exemple. Le cas de Mbaye par exemple. On a vu qu'il n'a marqué aucun but. Et on a parlé de maraboutage dans sa chambre. Euh, retour à son club, on a vu qu'il a commencé à marquer. Est-ce que ça existe En fait, c'est quoi le problème de la tanière réellement en fait Écoutez, le maraboutage, moi je peux vous dire, ça existe. Je l'ai vécu. Si Mbeignan dit qu'il a trouvé des gris-gris, ça veut dire que c'est possible. Si aujourd'hui on dit que Mbeignan a été marabouté au point qu'il ne puisse pas marquer, je peux dire oui. Parce que moi je vous dis, Hein, on m'a marabouté en 94, j'avais le genou enflé quand je rentre en regroupement de l'équipe nationale et quand je ressors, il est de redevenir normal. Et c'est pourquoi je n'ai pas joué la Coupe d'Afrique 94. Je suis allé jusqu'à être paralysé, paralysé de mon pied droit. Hein. Regardez, c'est comme ça que je marchais. Je ne pouvais plus poser mon pied comme ça. Comme ça. C'est comme ça que je marchais. Parce que j'étais tellement paralysé tous mes, tous mes membres ne pouvaient pas fonctionner, d'accord Donc je marchais comme ça. Alors, quand je quitte l'équipe nationale, je redeviens normal. Ce qui veut dire que c'est possible. Et je peux vous dire, quand l'avion présidentiel m'a ramené de Tanger pour revenir au Sénégal, il y a eu un match de la gendarme. J'ai arrivé le jeudi, la gendarme jouait le dimanche. J'ai joué ce match de la gendarme. Et depuis 1994, je peux vous dire, mon genou ne s'est plus enflé. Ce qui veut dire que je peux accepter qu'il y a du maraboutage en équipe nationale. Mais le maraboutage n'a jamais gagné personne. Sinon, l'Afrique aurait déjà pris la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas un problème Est-ce qu'on n'a pas, nous, en notre, problème, est-ce que c'est elle n'est pas personnelle C'est un problème de manque de confiance en soi. Moi, je ne vais pas te marabouter, pour te prendre ta place. Je vais me battre. Je vais montrer mon talent pour te prendre ta place. Donc quand on n'a pas confiance en soi, c'est là qu'on va voir un Est-ce qu'on va prendre finalement la Coupe d'Afrique un jour Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Franchement, je ne le crois pas. Que le Sénégal puisse prendre la Coupe d'Afrique un jour, je ne le pense pas. Parce que tant qu'il y a ces choses-là, je pense qu'on ne gagnera jamais. Parce que quand celui qui doit nous marquer les buts, on le maraboute. Celui qui doit faire les passes, on le maraboute. Quand est-ce qu'on va gagner quelqu'un quand est-ce qu'on va gagner quelqu'un Voilà. C'est ça le problème. Et en plus, euh, je ne sais pas, quand moi j'entends des marabouts dire oui, euh, le Sénégal me doit ça, jamais ils vont gagner. Vous êtes Sénégalais Pourquoi vous ne travaillez pas gratuitement pour le Sénégal Pourquoi vous voulez impérativement qu'on vous paye Il y en a qui le font. Parce que quand un dirigeant prend son argent pour aller voir un marabout, ce n'est pas la fédération qui lui a donné. C'est parce qu'il aime son pays. Alors toi, le marabout, si tu aimes ton pays, pourquoi tu ne, donnes, tu, ferais pas ça pour ton pays Voilà pourquoi on ne gagnera jamais rien. Alors, euh, on va parler de la petite catégorie. On, parle souvent de corruption au niveau de, de la sélection. C'est quoi votre avis là-dessus Écoutez, je ne peux pas parler de corruption parce que je n'y ai pas assisté. Mais ce que je peux dire, c'est que les sélections doivent être faites normalement. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un, tu es dans ta région, donne-moi un joueur, tu comprends. Ou bien un centre de formation où un agent vient te dire, prends-moi mon joueur. Non, il faut aller suivre les championnats, voir les meilleurs joueurs qu'il faut au Sénégal et les prendre. Ah, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Quand on dit sélection nationale, parce que la petite catégorie n'est pas suivie. Moi, je vais vous dire, les sélectionneurs ne vont pas dans la catégorie junior regarder les matchs. Ils vont pas. Après, ils vont te dire, ouais, c'est que ce sont les, eux qui font le meilleur football, je vais les prendre. Non. C'est pas parce qu'ils font le meilleur football qu'il faut les prendre. C'est comme quand tu prends que des professionnels alors qu'ils ne remplissent pas leur devoir dans une sélection. Il y a des joueurs locaux qui sont meilleurs que ces professionnels, qui pourraient faire mieux, qui pourraient apporter mieux que ces professionnels. On les laisse là pour amener des professionnels pour se cacher derrière. Parce que l'Africain croit aux professionnels qui sont en Europe. Mais il y a des joueurs qui sont là qui sont meilleurs. C'est comme ça dans les sélections aussi régionales. Il y a des joueurs qui sont meilleurs. Moi, j'ai des joueurs qui sont meilleurs que certains qui sont en équipe nationale. Mais on ne les voit pas. Une fois, j'ai demandé à l'entraîneur junior de venir voir, mais il n'est jamais venu. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut que les gens aillent regarder les matchs des championnats pour déceler les joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup maintenant d'équipes juniors. Avant, c'était facile. Il n'y avait que 10 équipes juniors qui étaient là au Sénégal. Hein. Mais maintenant, il y en a une quarantaine, une cinquantaine. Hein. On ne peut pas tous les voir. Si on ne dirige pas des personnes pour aller voir ces joueurs-là. Mais c'est ce travail-là qu'il ne faut pas faire. Quand on est capable de, donner des millions à quelqu'un pour aller en Europe pour superviser des joueurs, pourquoi ne pas donner des centaines de milliers à quelqu'un ici au Sénégal pour aller voir ces joueurs-là Voilà pourquoi le football africain ne progresse pas. Ici, on est banalisé. On est banalisé. Et ce qui est extraordinaire, tous ceux qui sont dans ce métier du sport, les pratiquants sont les plus lésés. Même le vendeur de tchaf gagne plus dans le football que le pratiquant. Alors, qui c'est qui Alors que c'est eux les, les, les, les pratiquants, c'est eux les, sportifs, c'est eux les professionnels. Vous vous rendez compte C'est ça qui est anormal. Et c'est pourquoi je vous ai dit, moi je me réfère au Seigneur. ñàkk jariñu yaa ngi dégg ñàkk ku ku fayul ñax nit ki ba mu jar ko Sénégal est-ce que tu comprends les sportifs joxuñu leen seen aq est-ce que regardez aujourd'hui il euh, euh, y a des anciens internationaux qui sont pas considérés alors que ces anciens internationaux devraient être considérés. Et je reviens là-dessus, parce qu'aujourd'hui, ces joueurs qui sont en équipe nationale, ce qui ne savent pas, au lieu de se battre pour connaître leurs anciens internationaux, au lieu de se battre pour euh, avoir les, les, conseils de leurs anciens internationaux, on leur demande de ne pas recevoir ces anciens internationaux. Eux, ils ne demandent pas à recevoir ces anciens internationaux, alors qu'ils ne savent pas que demain, c'est eux qui, sont qui seront à la place de ces anciens internationaux. Ils voudront aller voir leurs jeunes, on leur interdira ça en même temps. Donc, donc je pense que c'est à cette base-là, c'est à la base-là, ce sont ces jours-là qui devraient se dire, hé les gars, demain c'est nous qui serons anciens. Alors donnons aux anciens ce qu'ils méritent. Donc vous êtes d'accord avec les propos de la Mais totalement, totalement. Ici quand on dit la vérité, on dit que vous êtes impoli, vous êtes incorrect. Mais c'est totalement... C'est totalement. Moi, je vais vous dire une chose. Mon ancien, je l'admire. Je l'admire quand je le vois. Vous pouvez demander. Moi, quand je vois un ancien joueur de la gendarme, un ancien joueur de l'équipe nationale, je le salue avec deux mains. Parce que j'ai appris à partir de lui quand j'étais enfant. J'ai regardé. Parce que j'ai été ramasseur de balles. Vous comprenez Je suis passé par la petite catégorie. Tous mes anciens, je leur donne le respect qui se doit. Parce que même mon premier éducateur, vous pouvez lui demander, c'est Alain Bokandé. Jusqu'à aujourd'hui, je lui donne cette reconnaissance. Vous comprenez Et pourtant, j'avais 6 ans. Mais c'est lui qui m'accompagnait. Vous comprenez Voilà ce qu'il faudrait, je pense, s'il vous plaît. quel est votre meilleur souvenir durant votre carrière Mon meilleur souvenir durant ma carrière, c'est mon premier match euh, avec la gendarme de Dakar. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment je suis arrivé, à m'imposer à la Jeanne parce que j'avais un défi à relever. Mon père, Gutenberg Feu, euh, était le plus grand dirigeant. On a même cru que c'était le président, le propriétaire de la Jeanne Alors, voir son fils évoluer à la Jeanne et ne pas être bon était une peine pour lui. D'accord Et il avait peur. Il avait peur. Et je peux vous dire, mon premier match, il n'a même pas voulu aller au stade. Vous comprenez ah, Tellement, tellement, il avait peur. Et savez-vous, c'est par hasard, c'est par hasard. Parce que j'avais déjà une licence. Il s'est trouvé que le jour, le jour du match, le jour de l'ouverture du championnat, euh, il y avait le Djaraf et la Gendarme qui étaient dernier et avant-dernier. Ils ont arrêté le championnat. Parce que ces deux équipes ne pouvaient pas descendre. Et après, ils ont fait deux poules. Un jeudi, comme ça, par hasard, je me suis mis en équipement parce que chaque jour, j'allais au lycée Bredian pour jouer. Je suis arrivé là-bas, je j'ai trouvé personne. J'ai dit, tiens, je vais aller au Sacré-Cœur pour regarder l'équipe de la gendarme préparer son match du dimanche. Vous comprenez Alors j'arrive, je suis là au bord. Ils étaient en train de faire un match, il leur manquait un joueur. Alors Pambeng, qui, qui me connaissait très bien, qui savait que j'avais joué le championnat précédent, a dit Tiens, Lamine, viens nous, viens nous compléter. On avait un nouvel entraîneur qui s'appelait Sega Kamara, qui venait juste d'arriver. Qui venait juste d'arriver. Alors Sega me regarde jouer. Il demandait à Pambeng Mais ce gosse-là, d'où il vient. Il dit, mais c'est un jeu de l'argent. Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi il ne vient pas à l'entraînement il, dit, non, mais ça, son père se Gutenberg etc. Il, il, prend le football pour un jeu, etc. Le mec lui a dit, mais celui-là, il est meilleur que tous les jours que je vois ici. Il, m'a approché pour me demander, est-ce que tu as une licence Je lui ai dit, oui, j'ai une licence. Il me dit, tu veux jouer le championnat Je lui ai dit, bien sûr, pourquoi pas Il me dit, tu reviens à l'entraînement demain Je lui ai dit, oui. Et je suis revenu. Il a encore refait un match pour voir si j'avais les mêmes qualités. Je me suis encore baladé contre les, joueurs qui devaient jouer. Et il m'a convoqué. Et il m'a convoqué, je me rappelle, un euh, en regroupement, Moussandou me disait, on était tout le temps ensemble, me disait, tu as un rôle fumiste. Le fils de Tambert qui va jouer son premier match devant 40 000 spectateurs. Waouh, waouh, petit, tu as, du, pain sur la planche. Je lui dis, mais écoute, je m'amuser. Je m'amuser. Il me dit, ah ouais, contre le Casasport. Je lui dis, bah oui. Et eh bien finalement, je me suis amusé. J'ai fait la passe du premier but, la passe du deuxième but et j'ai marqué le troisième but. Et depuis lors, je suis devenu ce fils de la Jeanne d'Arc, ce prodige de la Jeanne d'Arc. Et jusqu'à les qualifier en Ligue des Champions, euh, à la Coupe CAF, en allant éliminer le MP Oran où j'ai marqué le but qui les a qui les a qualifiés aussi. Bon, je joue avec quatre générations de la d'Arc. Aussi, je me rappelle de mon premier match contre Montpellier où il y avait Roger Mila en face, Kader Ferraoui, Laurent Blanc, et moi j'avais Boubacar Sar à côté, Patrick Blondeau, Eric euh, Dimeco qui me boostait. Ce match-là aussi, j'avais des sensations fortes. à vous entendre parler, vous, euh, vous, vous, vous aimez trop le girafe, hein. euh, la GIA. donc du coup, bon, je vais généraliser un peu la question. On a vu que le, championnat du Sénégal a un gros problème jusqu'à ce qu'on repousse des matchs, etc par manque de moyens. Et on parle de primes euh, au niveau de l'équipe nationale, tout ça là, alors que c'est de l'argent qu'on pourrait injecter euh, dans notre championnat. C'est quoi en fait Quelles sont les, les réformes qu'on pourrait mettre en place pour régler définitivement le problème de ce championnat La première réforme qu'il faudrait faire dans ce championnat professionnel, c'est mettre les joueurs, est-ce que vous comprenez, en règle. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui auront un bulletin de salaire, ça veut dire que l'État par force va se mettre dans ce professionnalisme. Parce qu'ils vont payer toutes les charges ces joueurs-là. Ils vont avoir leur assurance, ils vont avoir leur, euh, comment ça s'appelle encore, euh, leur retraite. Hein. Ce qui veut dire l'État va entrer dans ce jeu-là. le club va payer 50%, l'État va payer 50%. Et c'est comme ça qu'on doit faire pour régler ce problème du professionnalisme. Quand ce sera réglé, il y aura de l'argent qui va être investi. Parce que les investisseurs vont voir que c'est du sérieux. Il y a l'État qui est dedans. Ils vont investir, ils ne vont pas perdre leur argent. C'est ça qu'il faut régler déjà. Mettre en valeur les professionnels. Là, je suis en train de préparer avec eux un match de gala, la première division et la deuxième division, le 11 à bas. Hein, à partir de 21h. Il faudra nous inviter. Si, vous pouvez venir, c'est bon. C'est pour leur parler du syndicat du professionnel du sport. Parce que moi, j'ai défilé le 1er mai 2009 pour réclamer le droit des professionnels. Aujourd'hui, ce sont ces gosses-là qui m'ont appelé pour me dire, nous, on veut être syndiqué. D'ailleurs, on voudrait que vous venez nous pousser. On organise un match de gala avec Ablaï de la Ligue de Dakar. On voudrait que vous venez nous pousser à, ce que l'on comprenne euh, quels sont nos droits, nos règles. Parce que beaucoup de joueurs vous voyez ce qui est malhonnête. Beaucoup de joueurs aujourd'hui ont signé un contrat professionnel, ils n'ont même pas leur contrat avec lui. Alors que ce contrat doit être fait en quatre. Un pour la FIFA, un pour, le, pour, la fédération, un pour le joueur, un pour le club. N'est-ce pas C'est comme ça qu'on fait un contrat. Mais on leur prend leur contrat, on leur fait signer 100 euh, 000 francs ou 200 000 francs, ils regardent l'argent, ils sont contents, ils ne voient même pas ce qui est marqué derrière. Et ça, c'est malhonnête. C'est pourquoi on ne gagnera rien, je vous en prie. D'accord, bon. Euh, qu'est-ce que vous, vous, voulez dire qu'on ne vous a pas posé, par exemple Qu'est-ce que vous voulez ajouter Oh, qu'est-ce que je peux bien ajouter Bon. Sinon, votre, qu'on reconnaisse, euh, Qu'on reconnaisse, qu'on reconnaisse le statut des anciens internationaux, de, ne pas attendre qu'ils décèdent pour qu'on vienne leur, les primer, on vienne dire oui, il a fait ceci, il a fait cela. Non, il faut les reconnaître et leur donner une place une place d'ancien dans ce, dans ce pays. Parce qu'un ancien international qui vient au stade et à qui on dit tu n'entres pas, un ancien professionnel qui vient au stade et à qui on dit on n'entre pas, vraiment, je pense que les gens n'ont rien compris. Ce sont ces gens-là qui vous amènent au stade, qui vous ont amené au stade avant. Alors il faut les respecter. C'est à cause de ces gens-là que vous êtes devant la porte pour encaisser de l'argent. Même les dirigeants, sans les joueurs, ils ne sont rien. Alors qu'ils considèrent ces joueurs-là le football, euh, vous aimez l'autre sport à part le football J'adore tous les sports. Donc on va parler du basket un peu. Votre mot sur euh, la défaite du Sénégal. Euh, ils sont éliminés en ce moment. votre une petite analyse du basket masculin bah, Écoutez, moi, je pense qu'on a trouvé meilleur que nous. Vous savez, un basket qui est beaucoup plus professionnel que nous, un basket qui est suivi au tiers de seconde. Ce n'est pas comme nous qui attendons des moments comme ceci pour regrouper les joueurs, pour leur dire venez, on prend celui qui est là-bas, celui qui est là-bas, celui qui est là-bas, on les amène, on dit allez, on va jouer. Non, ce n'est pas comme ça une sélection. Une sélection, il faut bien la mûrir avant de, l'amener quelque part. Et cette sélection du National basket du Sénégal, combien de stages ils ont fait avant d'aller à la Coupe du Monde Je peux vous poser, dites-moi. Ils savaient qu'il allait à la Coupe du Monde depuis combien de temps depuis un an Il y a combien de mois On ne pourrait pas les regrouper par exemple chaque trois mois pour les préparer. Mais les autres équipes, c'est ce qu'ils font pour aller, pour aller à la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas un problème de moyens Quel problème de moyens Quand on est là, on fait des khawarés, on donne de l'argent, on parle de problème de moyens. Quel problème de moyens Dites-moi, l'argent est là. Donc c'est une question de privilège alors par rapport au football Mais c'est plus qu'un euh. privilège. Comment est-ce qu'on peut primer des perdants où est-ce qu'on a vu ça Vous n'êtes pas d'accord avec ça Mais je suis... je suis... Euh, euh, mais, ils n'ont rien foutu, pardonnez-moi, ils n'ont rien fait dans le terrain. Arrêtez 90 minutes, ils ne sont pas rentrés dans la surface de réparation euh, algérienne. Et vous me dites que ces jours-là doivent être primés 34 coups francs qui ont été n'importe où. Mais arrêtez Et ce sont ces jours-là à qui on donne 20 millions. Mais il faut arrêter. Donc nous, on est fiers d'être perdants. Quand est-ce qu'on va gagner Quand est-ce qu'on va... Vous êtes d'accord avec tous qui disent qu'on ne devrait pas les accueillir On ne devait même pas les accueillir, ils ont perdu. Si, c'était l'Algérie, ils n'allaient pas être accueillis, ils ont perdu. C'est ça la dignité. On rentre la tête baissée parce qu'on a perdu contre des gens comme nous, contre des footballeurs comme nous. Mais on vient là, on les... Je vais vous dire une chose, regardez le penalty qui a raté le jour algérien. Vous avez vu la folie qui était en lui parce qu'il sait que si l'Algérie était éliminée, sa famille allait avoir des problèmes. Le football algérien allait avoir des problèmes. Il était, il était dans la plus grande peur de sa vie. Mais aujourd'hui, on rate nos pénalties, on rate nos coups francs, on fait n'importe quoi, on revient ici, on vous applaudit. Mais quand est-ce qu'on va gagner quelque chose Alors dites-moi, si on avait gagné la Coupe d'Afrique, qu'est-ce que ce serait Dieu a bien fait les choses de ne pas nous faire gagner. Parce que ce jour-là, si on gagnait la Coupe d'Afrique, peut-être que c'est des avions qu'on... On a envie quand même de gagner la Coupe. J'aimerais bien qu'on la gagne. J'aimerais bien qu'on la gagne. Franchement, tout le monde a envie que le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique, mais qu'on la gagne avec, dans les normes. Vous comprenez ah, Aujourd'hui, si on l'avait gagné et qu'on leur donne 20 millions, personne ne dira rien du tout. Moi, je serai le premier à aller là-bas pour fêter ça. Mais des perdants, on leur donne des primes. Arrêtez, il faut arrêter de déconner. Et les, gagnants, on leur donne rien. Il y en a qui ont le but soccer, qu'est-ce qu'on leur a donné C'est une équipe nationale. C'est une équipe nationale. Les basketteuses, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ils ont été en finale. Ils ont perdu. Euh, on leur a donné 20 millions On leur a donné des appartements qui vont bientôt. Euh, appartements. Regarde l'immeuble de Lyon. C'est un, je sais pas, c'est en démolition. N'importe quoi. Écoutez, il faut être sérieux. Quand on perd, on perd, on baisse la tête. D'accord On essaie d'être fort pour gagner le prochain match. Mais ça veut dire quoi Je suis désolé. Vraiment. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. On va vous laisser travailler. En tout cas, ce fut un grand plaisir. Peut-être on va venir la prochaine fois. On va venir avec, euh, au niveau de votre événement, votre événement à venir, pour essayer de, vous couvrir, vous accompagner, pour euh, juste votre, la cause que vous êtes en train de mener, qui est noble. On a vu tout ce que l'amour que vous avez pour l'équipe nationale du Sénégal, pour le Sénégal en général, parce qu'au commencement, vous avez vu que vous avez, porté votre t-shirt du Sénégal en général. Donc, euh, j'ai joué pour l'équipe nationale du Sénégal. J'ai représenté le Sénégal en Égypte. J'ai représenté le Sénégal en France. J'ai représenté le Sénégal au Maroc. Parce que partout où je vais, si je joue au football, on dit le Sénégalais. On ne dit pas le Marocain, ni l'Égyptien, ni quoi que ce soit. Donc je suis Sénégalais. Et je suis fier d'être Sénégalais. Je vais vous dire une chose. Vous me donnez un milliard, vous me dites allez vivre en France, je ne veux pas. Je préfère vivre dans mon pays, servir mon pays. Parce que dans mon pays, je suis tranquille, je suis à l'aise, j'aime mon pays. Et j'aime tout ce qui se fait dans mon pays. Vous comprenez Voilà, c'est ça. Mon dernier mot, vous parlez tout à l'heure de l'amour que j'ai pour la gendarme. J'ai du sang bleu dans les veines. Est-ce que vous comprenez À l'âge de 6 ans, c'est Cheval Fou Alundia qui me mettait dans les, ses genoux. J'allais au stade avec la gendarme. La gendarme se regroupait chez nous. Vous comprenez Donc je dormais avec les joueurs. Je suis le joueur le joueur de la gendarme qui peut vous raconter tout ce qui, se, a pu se passer à la gendarme. On va passer parler du gendarme alors. Et eh pas ben, passer, ça me fera plaisir. Il ne faudra pas que vous nous donniez rendez-vous au terrain. Hein. On va prendre le temps. D'accord. On sera à la maison parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à la Il faut qu'on parle du gendarme parce que je veux pas, j'ai vu l'amour que vous avez pour le gendarme, je ne veux pas vous poser de questions alors que on va venir vous parler. Vous savez, j'ai toujours aimé ce que mon papa a aimé. Mon papa a aimé la gendarme, j'ai aimé la gendarme. Mon papa aimait Saint-Etienne, J'aimais aimé Saint-Etienne. Jusqu'à présent, j'aime Saint-Etienne par rapport à mon père. Mon papa, euh, tout ce que mon papa fait, c'est lui que j'ai copié. Et malheureusement, il nous a quittés. Euh, le mois de janvier passé, ma maman le mois de février passé, je prie à tout le monde, à tous ceux qui verront et qui écouteront ça, de prier pour mes parents, que Dieu les accueille au paradis. Il m'a légué euh, quelque chose et je suis en train, j'espère, de là où il est, il est content de moi par rapport à ce que je suis en train de faire. Et je prie pour mes parents que Dieu ait pitié d'eux et que Dieu les amène au plus grand Firdaus, à côté de Mohamed Rasulullah et à côté de Khalifa Ababakar Si. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf merci